en Ukraine. Poutine bouscule-t-il la hiérarchie de la géopolitique internationale s'interroge en gros dans sa parution Le Nouveau Républicain. Le Nouveau Républicain qui nous rapporte que depuis quelques jours, la guerre en Ukraine fait rage. Le monde ne put, malgré ses menaces proférées à l'encontre de Poutine, dissuader le dirigeant russe à ouvrir les hostilités et à porter la guerre en Ukraine. La communauté internationale s'est alors montrée impuissante à éviter à aller à l'escalade. La Russie s'étant montrée intraitable sur un tel dossier le stratège Poutine. Visiblement, Poutine s'est bien préparé pour sa guerre, écrit le journal, mettant toutes les chances de son côté pour être seul maître du jeu. Sa communication sur un dispositif militaire, sur ses armes de dernière génération, dont des images ont circulé sur les médias et sur les réseaux sociaux, avait fini par faire hésiter l'OTAN et une Amérique qui pourrait avoir eu peur d'aller dans cette guerre pour se faire humilier. Poutine n'est pas un enfant de cœur, explique le journal pour Pourtant, ce sont ses alliés de l'Ukraine qui lui donnaient l'assurance de sa protection tant que Poutine oserait l'attaquer. Mais très vite, l'Ukraine finit par déchanter, découvrant le vrai visage et la couardise de ses alliés, plus fort dans les discours inopérants que dans l'action pour réagir face à l'agression de Poutine. Tout au plus, ils ne peuvent causer des condamnations de principe, peureux à aller à l'affrontement avec la Russie qui semble être prête à toutes les éventualités. Le journal écrit plus loin que la carte du monde se redessinait. Poutine pourrait être le grand maître et le grand gagnant dans ce conflit. La France peut d'ailleurs peut-être avoir compris que de plus en plus elle ne pourra rien imposer au monde. Ça, présidence de l'Union européenne en un tel moment crucial ne changera rien, selon le journal, quant à la remise en cause de son leadership et de son influence sur les relations internationales. Cette situation, il va sans dire, pourrait influencer la présidentielle en France et dans ce qui se passe en Ukraine et au Sahel. Il va sans dire que, malgré des sondages rassurants, Emmanuel Macron pourrait payer dans les urnes la baisse de la brillance de la France dans le monde. Quant au journal La Nation, il s'est intéressé dans sa parution à la visite de travail du président en Turquie. L'armée de l'air, une priorité, s'exclame en gros le journal. Lors d'une récente rencontre avec les cadres de l'administration territoriale, le président de la République, Mohamed Bazoum, n'avait pas manqué de souligner que l'une des contraintes majeures auxquelles nos forces de défense et de sécurité faisaient face, compte tenu de l'étendue de notre territoire, était non seulement un problème général d'effectifs, mais en particulier l'insuffisance de la couverture aérienne. C'est dans ce contexte que l'armée de l'air va s'équiper avec du matériel ultra-moderne et former le personnel adéquat pour son utilisation, nous apprend toujours le confrère qui poursuit qu'au menu du séjour du chef suprême des armées, la visite de plusieurs structures industrielles fleurant du secteur de l'armement. C'est ainsi la concrétisation effective des échanges téléphoniques qui ont eu lieu en novembre dernier entre le président Bazoum Mohamed et Recep Tayyip Erdogan et qui ont été finalisés par la déclaration d'achat de matériel matériel militaire turc, notamment des drones armés, de combat TB2, de la société Bayraka. Par ailleurs, le journal nous apprend que le président de la République, Mohamed Bazoum, visitera la firme Aselsan, spécialisée dans l'électronique et les communications militaires et civiles, ainsi que les systèmes de radar, puis la Turkish Aerospace, TUSAS, qui fabrique des avions d'entraînement et d'attaque au sol à turbopropulseur Urkus. Mohamed Bazoum se rendra ensuite à Nurol pour visiter des véhicules blindés tactiques qui sont utilisés dans les missions onusiennes en Géorgie, Kazakhstan, Tunisie, etc. Ces visites à caractère essentiellement militaire s'achèveront sur le site de la société Rokitsan un des fleurons de l'armement turc spécialisé en fabrication de missiles guidés par laser et par satellite, ainsi que la gamme de roquettes guidées et non guidées. Cet intérêt du Niger pour le matériel turc se justifie amplement compte tenu de l'utilisation à laquelle est destiné cet armement et par le rapport qualité-prix. À propos toujours de cette visite, le Hérisson nous rapporte qu'avec les nouvelles acquisitions attendues et bien d'autres qui suivront, le Niger sera à même de protéger l'intérêt de son territoire sans un appui de forces militaires étrangères. C'est là où le chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, veut amener son pays. C'est par là que passe la souveraineté. La coopération nigéro-turque, faut-il le rappeler, est au beau fixe. Nous apprend toujours le confrère qui explique que l'axe Niamey-Ankara s'est raffermi davantage depuis l'arrivée au pouvoir en 2011 de Mamadou Issoufou, l'ancien président. Les investissements turcs au Niger sont bien visibles, aussi bien pour ce qui est de la modernisation des villes, hôtel Radisson Blue de Niamey, aménagement de l'aéroport Djoriamani de Niamey, que dans le domaine de la santé, hôpital de référence de Maradi, la construction de routes et le commerce. Cette coopération fructueuse, le président Bazoum compte la consolider et la renforcer. Et c'est sous le titre Visite du président Bazoum en Turquie, renforcer les capacités militaires aériennes et terrestres du Niger. Et puis l'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi cette affaire de Tanadi et Sopamine. Deux ans de prison prononcés dans l'affaire Tanadi Sopamine. Une enquête judiciaire expédiée nous rapporte dans ses titres le journal L'enquêteur. L'enquêteur qui explique que c'est l'épilogue de l'affaire Tanadi Sopamine. La justice est passée, des zones d'ombre subsistent toujours. Une question subsiste, où sont passés les 3 milliards de francs CFA d'argent public Reconnu coupable de foi en écriture, Ibrahim Boubacar, directeur d'exploitation de Tanadi à l'époque des faits, a écopé de deux ans de prison, dont un an assorti de sursis. C'est une peine moins lourde selon le journal que celle requise par le parquet, à savoir trois ans de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende sur la base de l'article 156 du Code pénal. Rappelons que ce prévenu est à son huitième mois de détention. Il lui est reproché d'avoir produit de faux documents ayant permis de masquer le dépôt à terme DAT de 3 milliards de francs CFA signé entre Sopamine et la structure de microfinance. S'agissant de Salif Tahirou, directeur général de Tanadi au moment des faits, l'action publique s'est éteinte puisqu'il est décédé en détention. Dans cette affaire, le journal se demande si le directeur d'exploitation de Tanadi n'est-il pas le bouc émissaire idéal Cette question se pose plus que jamais selon le journal. Le directeur général de Sopamina à l'époque des faits, Mohamed Ouzada, actuel ministre de la Communication et chargé de relations avec les institutions, est-il exempt de poursuites judiciaires se demande toujours le journal pour qui la même interrogation ne serait-elle pas valable pour la nommée Aminata Moussa, directrice des ressources financières de Tanadi, également épouse du feu Salifou Tahirou, un parfum de l'affaire et absente au procès, la justice est passée. Mais le journal estime que le dossier conserve tous ses mystères et toutes ses zones d'ombre. À propos toujours du même sujet, le journal Niger Inter Hebdo s'interroge dans ses titres si le taux se resserre autour de Hamazada. L'État risque de perdre plus de 3 milliards, nous apprend le journal. Dans cette affaire Tanadi Sopamine, plus de 3 milliards de francs CFA dans la Sopamine pour un DAT serait en cause. Cette importante somme ne serait pas retrouvée dans les livres de la coopérative Tanadi, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment une somme aussi importante a été confiée à une coopérative de microfinance par Hamazada quand on se rappelle des déboires de Dame Reki Djarmakoy de Asusu SA avec la même sopamine. Contacté par nos soins, le journal écrit que l'acteur de la société civile et Diabdou Abdou s'insurge en ces termes. Le scandale Tanadi Sopamine confirme la légèreté qui caractérise la gestion des deniers publics dans notre pays. Une légèreté telle que n'importe qui peut griger l'État. Sinon, comment comprendre qu'une société d'État puisse effectuer des dépôts d'un montant global de 3 milliards de francs CFA auprès de Tanadi sans que l'on assure de la crédibilité et de la fiabilité du système financier en question, nous a-t-il confié. Le journal écrit plus loin qu'à propos de Tanadi, l'activiste Elhaj Idi considère que la crédibilité de cette coopérative de microfinance était remise en cause depuis belle lurette. Et voilà, en 2019, les dirigeants de TANEDI placés sous mandat de dépôt suite à une plainte du projet filet sociaux, c'est toujours le contribuable nigérien qui en pâtit de ces dépôts pour le moins hasardeux le gouvernement en général et le ministère des Finances en particulier sont interpellés s'agissant des agissements qui semblent caractériser le fonctionnement de ce genre de système financier, à martelé et Idi Abdou. Le journal conclut que les citoyens se posent mille et une questions sur cette rocambolesque affaire où, selon les mauvaises langues, plus de 3 milliards de francs CFA de la sopamine seraient hypothéqué. Puis, à propos du possible dialogue avec les éléments terroristes, le journal La Nation nous rapporte dans sa parution que les chefs de l'État persistent et signent. À l'occasion de son séjour en Turquie, le président de la République, Mohamed Bazoum, a accordé l'entretien à la chaîne de télévision Qatari Al Jazeera. Ainsi, il est revenu sur le sujet relatif au pourparlers engagé avec un groupe terroriste. Sans aucune gêne ni langue de bois, le chef de l'État a réitéré ce qu'il a dit lors de la conférence des cadre qu'il a animé le 25 février dernier. Le journal nous apprend que le dialogue est bel et bien possible avec certains de ses compatriotes enrôlés dans le Grand Sahara, a-t-il laissé entendre. Selon lui, cela ne semble pas être le cas avec euh, se affilier au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, j'estime qui serait plutôt un mouvement fermé, du moins avec lequel rien pour le moment ne fit possible avec la partie nigérienne. Toute opportunité tendante à ramener des compatriotes à la raison, à même de contribuer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale, est la bienvenue à laisser entendre en substance le président de la République. Le journal estime que cette franchise se veut une réponse au président du parti Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger à Mélamine, Omar Hamidou Tchana dit là-dedans et à tous ceux qui croient que le chef de l'État peut avoir un complexe à ramer à contre-courant d'un quelconque courant anti-négociation, d'où qu'il vient. En effet, selon le journal, dans une littérature récente, celui qui apparaît aujourd'hui comme le seul homme de l'opposition politique, Ladan Chana, avait interpellé le président français Emmanuel Macron sur l'attitude du président Mohamed Bazoum qui a dérogé à la position de l'Élysée de ne pas négocier avec les groupes terroristes. Les propos de Bazoum sur la clairs et limpides comme de l'eau vont-ils inspirer une autre lettre au président du parti Amen Amin, cette fois à l'adresse de qui Du secrétaire général de l' l'Organisation des Nations Unies peut-être, d'autant même que sa missive à Emmanuel Macron ne semble pas avoir produit la moindre onde de choc. Et pour finir, parlons de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le journal Le Hérisson titre à cet effet Journée internationale des droits des femmes. Les femmes nigériennes ne sont pas restées à marge. Depuis 1977, à date d'instauration de la Journée internationale des droits des femmes par l'Organisation des Nations Unies, ces dernières commémorent cette journée avec en toile de fond des activités sur l'ensemble des continents. C'est ainsi que le 8 mars 2022, les femmes nigériennes, à l'instar de leur sort du monde, ont commémoré avec euh, face à cette journée. Le thème retenu cette année est Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes. Une thématique d'actualité selon le journal quand on sait que ces dernières années, les femmes à travers le monde souffrent de certaines inégalités bien plus que celles qui perdent leurs fils et époux en lien avec l'insécurité. La première dame, Madame Adi Aziza a parrainé la cérémonie de lancement des activités au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en présence des milliers de ses soeurs Plusieurs structures œuvrant dans la promotion de la femme nigérienne ont pris part à ce lancement dont entre autres la coordination des organisations et associations féminines du Niger Congafen et l'un de ses membres à savoir l'association des professionnels africains de la communication APAC section du Niger et plusieurs autres regroupements féminins un peu partout à travers le le pays, le journal nous apprend que les femmes se sont retrouvées pour exprimer leurs préoccupations sur leurs conditions de vie avec l'animation des conférences sur des thématiques comme